ñun ay citoyen lañ te dañu ànd ak président Macky Sall waxuñu dañoo am ay valeurs au détriment des Sénégalais qui ne sont pas yi nga xamante ne ñu ak Macky Sall mais en tout cas yaakaar nañ ni ñun gëm nañ lii di république yaakaar nañ ni gëm nañ ay valeur te teewul ñu ngi ànd ak le président Macky Sall euh, donc je veux donc ci contexte boobu noonu la amee waaw lu yees li nag mooy fas yéene donc takku gën a takku parce que dañ ci nekk ak sunuy mag te ñoom commencé woon nañ chemin boo xamante ni pour liggéey ci parti bi fii Thiès def nañ ci liggéey bu am solo ñun liggéey boobu rek la ñuy daal di continuer xëy na dañ koy nag wéyal ci beneen anam waaye liggéey ပုံပေါ့နော် dañ koy daal di wéyal te loolu yaakaar naa président Macky Sall jox nañu yoon bi ndax moom daf ñu yàgg yar ci di jox cër ñi nga xamante ni mooy say adversaire politique jox cërit ak tamit lépp looy def nga gëm ko nga bañ a renier jamais say principe waaw xam nga Thiès nag dafa nekk dëkk boo xamante ni dëkk bu stratégique la surtout au niveau de Sénégal parce que bu njëkk ba ñun bi ñuy gën a nekk ay ndaw dañ doon dégg ñu naan moo nekkoon deuxième ville du Sénégal léegi loolu foo ko wax ñu weddi la parce que xëy na amoon na ay chantier yu ñu ko tàmbali woon yu fi état tàmbali woon te xëy na taxaw na am na lu ci président Macky Sall def lu bari dañ koy ñaan mu gën a yokk loxoom ndax loolu su ko defee population bu Thiès dinañ ko sentir te buñ ko sentiree économiquement Thiès dina romb fi nekk nii ndax aéroport baa ngi nii tey jii di jege si kees waaye war nañ am koom-koom boo xam dina mën yombal donc seen dem ak seen dëkk foofu de fer waaw chemin de fer également moo wax Thiès te doo wax chemin de fer donc loolu aussi ñu ngi ñaax président Macky Sall donc mu de fer ndax suñu yi euh, Souleymane Sy ci biir ndax ngay ne amatoo kilifa ci biir APR fii ci Thiès yaay sa patron bopp ah Souleymane dafa mës am kilifa boo gisee ndaje mi ni ma ko organisé sax euh, dama jox ñi nga xamante ni normalement dañ ne président mouvement moom moo waroon a mujjee wax mais ci jox cër ñi nga xamante ni samay kilifa lañ ma leen bàyyi ñoom ñu daal mais mujjee wax kon nag yaakaar naa day symboliser ni Souleymane am na ay kilifa bu kilifa boppam. doon ngeen ndamu président fii si biir Thiès ville élection ñëw. waaw du yomb wante président Macky Sall bàyyi xelam ci Thiès. ah ñu góorgóorlu yi gën a liggéey ci parti bi def lu ñu mën suñu kem kattan incha allah dinañ am ndam. mesdames et messieurs je salue toutes les personnes ici présentes jeunesse unie pour les valeurs républicaines. Dans le contexte politique actuel, il ne serait pas vain de se pencher en tant soit peu sur le sens profond du mot le plus répandu du langage politique la République. En réalité, la République ne se confond pas avec la démocratie. Celle-ci est un mode de gouvernement, une méthode fondée sur le pouvoir du peuple, à travers le suffrage universel direct ou indirect. La République est tout autre chose. Le mot lui-même, dans son origine étymologique, pareil à cette neutre. Reste la chose publique. Dans son sens le plus habituel, le plus fréquent aujourd'hui, la République exprime le corps des valeurs dans lesquelles se reconnaît une nation, construite au fil de l'histoire. Au sens des droits fondamentaux, la République se présente comme un refuge une protection dans la tempête. C'est pourquoi les Sénégalais, dans leur quasi-unanimité, accordent une grande importance à ce patrimoine courant. C'est pour cela, en tant que jeune, il est de notre devoir d'œuvrer pour la sauvegarde et la perfection de nos valeurs républicaines. Et là, nous tenons à dire nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes des hommes de valeur, pour deux raisons. Primo, parce que pour nous, cela est une quête. Secondo, par considération aux autres Sénégalais qui sont des hommes et des femmes de valeur et qui ne partagent pas les mêmes convictions que nous. Mais ce dont nous pouvons dire est que nous sommes citoyens et nous pensons croire aux valeurs cardinales. Nous sommes citoyens et nous pensons croire à la République. Nous sommes citoyens et nous nous reconnaissons dans les valeurs républicaines que son Excellence le Président de la République Macky incarne. Il s'avère donc que le choix du président de la République, son Excellence Macky Sall, en tant que président d'honneur et parrain du mouvement Jeune, Jeunesse unie pour les valeurs républicaines, n'est pas un fortuit. À travers ce choix, nous le rendons hommage pour avoir restauré certaines valeurs républicaines longtemps coulées aux pieds, mais aussi pour nous en avoir inculquées. En guise d'illustration, son Excellence Macky a fait montre dans des moments où ce n'était pas évident qu'il est possible de faire de la politique dignement sans vendre son âme ou en gardant ses valeurs. On se souvient de sa fameuse maxime qu'il faillit me remuer pour survivre, je dis non. Son Excellence Macky ne cesse également de faire montre aux valeurs aux autres acteurs du jeu politique que même dans l'adversité, il est possible de se respecter en prônant le respect de soi, le respect vis-à-vis d'autrui, notamment les vieillards politiciens. Pourtant, nombreux sont les chefs de partis politiques qui lancent des diatribes ou qui critiquent violemment le président Macky Sall. Cependant, je me priverai de les nommer ils sont peut-être dans le rôle d'opposants. Mais la plupart d'entre eux, au sein de leur parti politique, il n'existe pas de démocratie interne, ni de débat, ni de débat contradictoire, de les vagues de démission récurrentes de leurs militants. Mais ce qui est inquiétant dans tout cela, c'est qu'ils n'ont même pas le dixième du pouvoir que détient son Excellence Macky Imaginez alors ces gens à la tête du pays avec un pouvoir personnel. Que deviendrait alors notre République et notre démocratie La réponse à ces questions en résulte d'une position claire aujourd'hui, plus que jamais. Nous renouvelons notre soutien, notre confiance et notre engagement auprès de son Excellence le Président de la République, Macky Sall. Pourtant, la République ne saurait se limiter à un corps de valeur. En son sens historique, elle exprime aussi une ambition collective, un principe d'action, un mouvement vers le progrès. Nous croyons que la République doit être un gouvernement, déclaré et En effet, l'ambition du président Macky de mettre le Sénégal dans les voies du progrès est indubitable. Et pour reprendre un peu la phrase de Monsieur le Premier ministre Mohamed Boun abdelajon le Sénégal sous Macky a engagé sa marche résolue vers l'émergence. Les cinq premières années d'exercice du pouvoir sont en train de prouver que le plan Sénégal émergent constitue le socle de la renaissance socio-économique d'un pays qui a accompli le grand bond dans plusieurs domaines. J'en déduirai alors que le plan Sénégal émergent n'est pas un plan de rêve. Et parmi ces différents domaines, on peut mettre en évidence la volonté du président Matissal de résorber les inégalités économiques et sociales. Au niveau des infrastructures, où en effet alors, la situation économique et sociale des populations vulnérables a fortement progressé de 2013 à 2017 grâce à un investissement massif auprès de ces populations avec notamment le programme de bourse de, sécurité familiale et la couverture maladie universelle. Au niveau des infrastructures, les résultats de l'action du président Macky Sall sont tangibles et dépassent de loin ceux du défunt régime, qui avait construit 1578 km de route et autoritaire en 11 ans, dans 11 ponts. Avec le régime du président de la République Macky Sall, 1295 de de routes et autoroutière ont été construits en 4 ans avec 12 ponts. Et cela, sans compter le vaste programme de modernisation des cités religieuses, notamment Touba et Tuaon. À ce niveau, j'ai une pensée particulière pour la ville de Thiès, la ville que nous aimons tant. Et là, je voudrais, au nom du principe de la continuité de l'État, interpeller le président de la République, son Excellence Macky sur la poursuite des chantiers ici, à Thiès, parce que cela va dans le sens du redressement économique de Thiès et donc de l'épanouissement de ses populations. Je vous remercie pour votre attention.